Bonsoir à tous, nous sommes vendredi 10 décembre 2021. Bienvenue dans votre forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec des confrères du paysage médiatique nigérien. Aujourd'hui, nous aborderons tout d'abord l'interdiction de la manifestation que projetait d'organiser la coordination régionale de Niamey de l'association Tournant la page et des autres manifestations en perspective contre la présence des bases militaires étrangères au Niger. Il sera ensuite question du 7e euh, Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, une rencontre qui s'est déroulée à Dakar les 6 et 7 décembre, à laquelle a pris part le président de la République Mohamed Bazoum, Enfin, nous terminerons avec euh, l'organisation du Festival international de la mode africaine FIMA qui est à sa 13e édition organisée la semaine dernière à Niamey. Pour euh, analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir euh, comme invités trois confrères. Ils sont tous des journalistes indépendants. Il s'agit d'abord euh, de Maïmoune Gado, Nous avons également comme euh, invité Sidikou Ousmane et enfin Issa Madougou. À la modération de ce forum de la presse euh, de ce jour, je suis Michel Deji. La manifestation prévue le dimanche 5 décembre par la coordination régionale de Niamey de l'association Tournant la page contre la présence des bases militaires étrangères au Niger a été interdite. Michael Zodi, le coordinateur national de cette association, dans un point de presse animé le lendemain de l'interdiction, a annoncé qu'une autre manifestation est en perspective pour le dimanche 12 décembre prochain. Celle-ci concernera toutes les huit régions du pays. On écoute euh, le coordonnateur national de l'association Tournons la page des propos recueillis par le studio Kalangou. Tard dans la nuit, vers 23h, l'ordonnance du juge était tombée annulant cette manifestation. Et nous avons attiré l'attention du juge par rapport à cette question-là parce que nous n'avons plus la possibilité de bien communiquer et sensibiliser les citoyens par rapport à cette interdiction, à cette nouvelle bande. Et comme vous le savez, certains citoyens qui n'ont pas eu l'information étaient sortis jusqu'à ce que nous déplorons l'arrestation d'au moins sept de ces citoyens-là qui n'ont pas eu l'information et qui étaient sortis. Et effectivement, nous continuons à exiger le départ sans condition et sans délai de ces bases militaires de notre territoire. Parce que notre État est un État souverain. Et nous savons que nos militaires sont capables de défendre l'intégrité du territoire parce que c'est leur mission régalienne. C'est la mission régalienne de l'État de créer ces conditions. C'est pour cela, nous n'allons pas croiser les bras. Les coordinations régionales ont d'ores et déjà commencé à s'activer par rapport à une autre manifestation le 12 décembre 2021. Issa Madougou, quelle analyse faites-vous par rapport à l'interdiction de cette euh, manifestation que projetait d'organiser le dimanche dernier la section Niamey de l'association Tournant la page Merci Michel. Moi je pense que ça fait depuis plus d'un an euh, mm-hmm. qu'au Niger, euh, toutes les <coughs> demandes de, manifestations sur la voie publique ont été systématiquement annulées. Mm-hmm ce n'est pas euh, une surprise quand même, mais le fait qu'on a vu euh, les organisateurs euh, recourir à la justice et de respecter également la décision de la justice, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique où les gens sont prêts à accepter les décisions de justice. Mais dans cette situation, moi, je pense que l'État a ses raisons dont il n'est pas capable d'expliquer clairement quand il dit trouble à l'ordre public également, il faut qu'ils expliquent un peu clairement, plus précisément, la ville de Niamey, leur interdiction. Maintenant, du côté des organisateurs, ils ont leur droit de manifester. Est-ce le contexte ici ou pas Ils ont soulevé les motifs de leur manifestation. Donc, moi, je pense que le débat est tout là posé sur le fait que on ne puisse pas juger de cette liberté de manifestation mhm. euh, sur la voie publique qui pose problématique au Niger. Alors, j'ai écouté Michael Zodi, c'est vrai, il a dégagé la responsabilité euh, après que la décision, il a dégagé la responsabilité de leur structure suite à la décision qui est tombée tardivement. cest mhm. Ce qui veut dire C'était le samedi soir, euh, après 22 heures. Voilà, ce mhm. qui veut dire que même le lendemain, si l'information n'a pas passé et que des gens étaient sortis, ça, on ne peut pas l'amputer euh, à leur structure. Mhm puisque eux, ils ont déjà, déjà dégagé leur responsabilité pour dire que c'était tombé tardivement et l'information a été passée depuis plusieurs jours où l'appel à mobilisation a été lancé. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que, <coughs> dans un premier temps, l'État devrait revoir sa copie par rapport à l'interdiction. C'est-à-dire, il faut mettre en jeu également ceux qui organisent, ils savent qu'ils ont leur responsabilité d'encadrement de, euh, de, la marche. Mhm. Et d'ailleurs, moi, il y, a une seule chose par rapport à cette situation qui m'a... Il faut préciser que dans euh, la décision qui avait été rendue publique par euh, le tribunal de grande instance de Niamey, il avait été dit justement que les forces de l'ordre allaient encadrer la manif parce que c'est la ville de Niamey qui avait fait la première interdiction la décision avait été donc attaquée au niveau du tribunal qui a donné raison à référé. Le juge des référés avait donc donné l'autorisation pour la manifestation et la ville de Niamey a fait appel à la demande donc euh, de l'actuel gouverneur et la décision est tombée dans la nuit donc euh, du samedi soir, ce qui a fait donc que la manifestation de la journée de dimanche dernier était interdite naturellement. Oui, euh, Mais vous avez un mot à dire. Oui, ce que je voudrais euh, ajouter, en fait, c'est le contexte. Mhm. Cette décision, ce tiraillement a eu lieu dans un contexte qui, sur le plan des droits de l'homme, n'arrange pas le Niger. Pourquoi mhm. je le dis Parce que c'était lors du séjour de la représentante des secrétaires la commissaire aux droits de, l'homme des Nations Unies, Michel Bachelet, qui est au mhm. Niger pour évaluer. L'ancienne présidente de la Chili. Mm. Elle est là au Niger mm-hmm. pour évaluer, pour rencontrer tous les acteurs dans le cadre du respect des droits fondamentaux. Donc, quand il y a ce genre de choses, moi je pense que d'abord il faut préserver l'image du pays. Mm-hmm. Aujourd'hui, tous ces experts qui étaient là, qui ont vu cette situation en retournant, qu'est-ce qu'ils vont dire Et quand la notation va tomber, les gens vont crier à tort et à travers pour dire que non, c'est comme si on est contre le Niger. Pourtant, c'est nous-mêmes qui attirons souvent les foudres de certaines institutions sur nous. Mhm. Moi, j'aurais bien voulu que l'État ou bien les autorités régionales soient regardants par rapport à la présence de ces commissaires des Nations Unies qui sont là, qui ont rencontré pratiquement toutes les autorités et les organisations également de la société civile. Donc, c'est pas opportun. Il suffit vraiment d'engager un, débat avec les organisateurs pour dire ok, organisez votre manifestation, mais prenez vraiment les soins. Même si nous allons mettre la police pour encadrer vous aussi, soyez sûr que la foule que vous avez mobilisée ne soit pas une foule déchaînée. que, la euh, manifestation pacifique, se déroule tout, en mhm. respectant l'itinéraire jusqu'au point de chute et que après mhm. tout le monde se disperse dans la calmie. Moi, je pense que c'était cela, cet aspect vraiment qui a attiré. Et j'en ai peur que demain, quand le rapport sur l'état des droits de l'homme au Niger sort, que le Niger puisse être épinglé et que certains n'arrivent pas à comprendre pourquoi on occupe ces jardins. de rang. Merci beaucoup. On l'a entendu donc euh, le coordinateur national de Tournant la page qui continue à dire que cette lutte euh, continue. Ça veut dire qu'il y a d'autres euh, manifestations en perspective. Maïmouni Gado, que faut-il comprendre de ces déclarations de projet de manifestation Le mouvement Tournant la page hmm. avait bien précisé dans ses déclarations que ça sera une marche pacifique ça sera une marche, en tout cas, euh, qui vont mettre à contribution les forces de défense et de sécurité mmh. pour, euh, en tout cas, euh, pour superviser mmh. en fait la marche, pour qu'il n'y ait pas de, de dégâts. Mmh. Donc, moi, je pensais que avec tout ce qu'ils ont dit dans leurs interviews et tout, que la ville de Niamey allait accepter que la marche se fasse. Parce que tout simplement, quand on regarde c'est vrai, nous sommes dans les mêmes contextes que le Burkina Faso, que le Mali. Mais aujourd'hui, c'est la même chose que le Niger, à travers euh, mhm. les citoyens nigériens, à travers euh, euh, Tournant la page, voulaient faire, montrer vraiment leur mécontentement et faire quitter et dire tout simplement, c'est pas parce qu'ils vont sortir pour dire qu'il faut mhm. que les bases militaires quittent, françaises quittent, que ces bases militaires vont quitter. C'est juste montrer que vraiment ils sont en désaccord avec tout ce qui se dit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc ils ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire et il y a mhm. des citoyens qui ont leur mot à dire également par rapport à ça. Mais maintenant, projeter une autre marche, il l'a dit, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont, ils vont en tout cas aller plus loin. Ça veut dire aller plus loin où ils vont, même si ça sera encore interdit, ils seront devant les juridictions. Il n'y a rien à faire. Hmm. Donc ça veut dire qu'ils sont engagés pour vraiment montrer leur désaccord total par rapport à tout ce qui se passe en termes d'insécurité et au Sahel mhm. et au Niger. Et donc, nous ne pouvons que, en fait, euh, attendre la veille euh, pour voir si la marche sera interdite ou pas, ou bien si c'est les juridictions encore, ils vont saisir les juridictions pour ça. Mhm. Parce que il faut s'attendre à ça. Mhm. éventuellement. Les prochaines heures euh, nous édifieront donc euh, davantage. Euh, Merci beaucoup. Éventuellement, on sait que ça sera déjà <laughs> interdit. Ousmane, si du Sidikou, les tristes événements de Terra survenus le 27 novembre 2021 et ont causé la mort de trois personnes constitue-t-il le seul élément déclencheur de ces désirs de manifester euh, vous savez, euh, depuis un certain temps, euh, au niveau de la zone dite des trois frontières, mhm. dans nos différents pays, j'ai cité le Niger, le Mali et le Burkina, il y a un développement d'un sentiment anti-français dû certainement dans un premier temps à la présence de ces bases, mhm. de cette base militaire française, dont les populations n'y voient pas de plus-value. Mhm. Pour preuve, plus elles sont là, plus elles écument nos, territoires, euh, plus euh, les populations sont victimes d'attaques. Et souvenance, dans, au Mali, quand il y avait eu, avant Barkhane, Serval, les populations, dans un premier temps, avaient accueilli euh, cette opération avec des youyou, parce qu'elle a eu affaire euh, ces ses preuves euh, sur le terrain en repoussant juste dans leur dernier retranchement mhm. ces djihadistes. Mais à l'épreuve des faits, on ne constate aucune plus-value de, ces bases de cette base militaire française. Bon sang, pourquoi voudrait-on dénier le droit à ces communautés-là d'exprimer un ras-le-bol qui plus est légitime et qui est en train de se radicaliser et de se généraliser. Donc, moi, je pense que bien avant même les tristes événements euh, de Tira, mhm. la présence de cette base française-là, à l'instar des autres bases-là, on ne voit pas de plus-value, on ne perçoit pas effectivement euh, ce, pourquoi, euh, la, ce, pourquoi elles sont là. Hum. On, ne sent pas ça, Michel. Vous dites, vous êtes venu pour me sécuriser. Alors, je fais l'objet de plusieurs attaques par-ci, par-là. Bon sang, de deux choses l'une. Soit vous déguerpissez, soit vous revoyez votre copie. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant qu'une organisation euh, vouloir sortir, exprimer euh, vraiment euh, un, sentiment général à travers une marche qui plaisait pacifique, suivie de meetings. Maintenant, après que nous ayons assisté à ce ping-pong judiciaire ayant abouti jusqu'à son interdiction, ça ne pourrait que galvaniser et renforcer davantage le sentiment du bien fondé de la lutte euh, ou bien de ce que ressentent les différentes euh, communautés. Moi, je mm. pense que c'est un recul grave, c'est un recul grave. Vraiment, les autorités, euh, les, arguments sanitaires et sécuritaires qu'elles ont argués, moi, je dirais que ce n'est que des pipeaux. Ça mm. ne grandit pas ou bien ça n'honore pas nos, nos, gouvernants. Et surtout que, souvenance, le président de la République actuelle a créé le cadre salué en son temps en rencontrant les acteurs de la société civile euh, poutiste et de l'autre côté. Il a demandé à être aidé. Hein. Mm-hmm. Et maintenant, si une organisation de la société civile veut sortir, projette de faire organiser une marche euh, pacifique suivie de meetings et qu'on l'ait interdit, moi je pense que c'est dommage, c'est un recul grave. Donc maintenant, vraiment, je pense qu'ils doivent revoir leur, copie. La preuve, le coordinateur national l'a dit, le 12, et la lutte, ça va s'élargir au niveau de toutes les régions. Si, euh, je ne sais pas ce à quoi nous allons assister, c'est une ce serait une interdiction pratiquement au niveau de toutes les régions, mhm. euh, moi je pense qu'on n'a pas besoin de ça. C'est vraiment de laisser la marche, mhm. que l'État se donne les moyens à travers euh, le démantèlement des forces de défense et de sécurité. Tout comme les organisateurs, j'en suis sûr, vont se donner les moyens pour que cette marche-là soit des plus pacifiques. C'est aussi simple que ça, mhm. Michel. Merci. Il faut rappeler donc euh, justement que ce désir euh, de manifester a pris euh, son grand élan à partir de ces événements de Terra. Je rappelle que c'était lors d'une manifestation des jeunes de Terra, une ville située dans la zone des trois frontières dans la région de Tilaberi. Ils contestaient le passage d'un convoi de l'armée française à destination de Gao au Mali. Issa Madougou, aujourd'hui, que peut faire le gouvernement de façon concrète pour faire euh, apaiser ce climat tendu au Niger après ces tristes événements qui ont causé, on le rappelle, trois morts. Vous le savez, depuis qu'il y a eu, euh, le Niger a commencé à être victime des attaques terroristes dans mhm. la région de Difa. Je me rappelle très bien à l'époque des faits, surtout vers 2014 où la situation s'est beaucoup embrasée dans la région de Difa. Il y a l'association alternative Espace Citoyen qui a fait plusieurs points de presse, qui a fait des manifestations mhm. également accompagné, je me rappelle, par un groupement politique également qui a fait des manifestations pour dénoncer la présence de bases militaires parce que les gens estiment que si il y a ces bases militaires au Niger, c'est que ces bases sont censées aider nos forces de défense et de sécurité mhm. à lutter efficacement contre les terroristes. Et on ne voit pas leur efficacité aujourd'hui dans la lutte du moment où on continue à compter nos morts. On sait que l'armée nigérienne est une armée guerrière. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans une forme de guerre asymétrique où vraiment tous les paramètres ne sont pas intacts, où chaque fois il faudrait corriger, il faut avoir les renseignements euh, qu'il faut adéquats pour pouvoir faire face à ces attaques. Ils sont dans leur droit du moment où on ne voit pas l'efficacité. Et moi, je me demande même, parfois, c'est mon avis. Au Niger, on a eu la chance aujourd'hui de profiter des coopérations qui ont montré efficacement leurs euh, résultats. Mmh. Quand je prends ce qu'on appelle les compagnies mobiles de contrôle, les SMCF là, mm. avec Cap Sahel. On a vu leur efficacité à Maradi. Grâce à ces gens, cette unité, cette unité de la police, vraiment les attaques ont pu diminuer dans la région de, de Maradi à la frontière avec le Nigeria. Mm. Également, au niveau de Koni, où il y a la deuxième compagnie mobile de contrôle des frontières. Et il y a un autre projet qui est en cours euh, au niveau de la région de Tilaberi dans le département de Tira. Moi, j'estime que si on a des résultats sur un plan, pourquoi ne pas encore demander à ce que cette coopération soit plus intensifiée parce que c'est plus bénéfique mm. Alors, une coopération où on ne voit pas d'efficacité et, de, de résultats tangibles qui puissent vraiment nous réconforter dans notre amitié, dans notre élan de coopération, dans notre élan de bon rapport avec l'État ou bien la structure. Alors pourquoi nous devrons continuer à le faire Et aujourd'hui, je me pose encore une autre question. On a la plus grande base de drones américaines au Niger, avec tout le monde connaît l'efficacité des drones Reaper que les Américains disposent. Bon sang, je me demande qu'est-ce qui retient l'État nigérien à demander à ce que ces Américains puissent nous aider. On a vu aussi dans leur coopération que ils sont plus efficaces dans l'attribution de dons et de matériel. Quand les gens disent que pour la France, le cas précis de la France, ce n'est pas que c'est les Français qu'ils détestent, mais ils détestent la manière dont l'État français traite avec l'État nigérien. L'arrogance. Mais, mais aujourd'hui, comment faire euh, apaiser ces, tension tensions euh, qu'on a à l'heure actuelle qui fait que le climat est un peu tendu euh? Mais la recette, y compris les ingrédients, se mhm. trouve au niveau de nos gouvernants. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, vous pensez Il faut repenser, karma. Ah, en quoi Parce qu'aujourd'hui, la menace là, du Sahel pèse même sur l'existence de nos États. En quoi faisant répondre non, il faut favorablement aux exigences euh, de... ceux qui demandent euh, le départ non, des bases Moi, je ne pense pas. Moi, de mon mm-hmm. avis, je ne pense pas que le départ définitif de ces bases-là pourra mm-hmm. arranger quelque chose dans notre situation. Mm-hmm. Parce que Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme tel que nous le connaissons n'est plus à muter aujourd'hui il y a un autre format qui est plus aujourd'hui local, identitaire et communautaire dans le Sahel. Parce que c'est ça le problème. Si nous continuons à regarder le terrorisme autant sous la forme des ACMI et consorts, aujourd'hui nous sommes en train de nous perdre. Mhm. C'est des questions qui sont non pas seulement liées à la sécurité. Il, faut y a donc euh, les bases militaires étrangères. Ce pas les bases seulement militaires mhm. qui sont à la base de nos problèmes. Il y a un sérieux problème de développement. Non, il y a un sérieux problème de développement. Aujourd'hui, les, toutes les zones là, aujourd'hui, qui sont vraiment assaillies par les attaques répétitives de ces groupes armés mhm. non étatiques, c'est parce que ces régions-là ont été délaissées depuis des années. Mhm. Aujourd'hui, vous voyez quand on vous dit déplacer interne. Mhm. Il y a un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Et c'est ce qui a même favorisé. c'est Ce qui a même favorisé aujourd'hui l'éclosion et aussi cette expansion rapide du, terrorisme au Sahel, c'est parce que nous avons des démocraties tropicalisées. Si les gens ont organisé des élections libres, crédibles et transparentes, qui n'ont pas suscité de réaction contraire, je vous assure qu'on aurait pu avoir cet, esprit d'union de cœur et d'esprit. Parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de division. Mmh. d'un pour la, l'existence de nos États, parce que cette situation menace l'existence de nos, de nos pays. Quand vous regardez, je ne sais pas si les gens s'amusent chaque jour à regarder les cartes sécuritaires de nos États du Sahel. Quand je prends pour le cas du Niger, pour finir, je vois seulement une tache orange qui rend tout seulement Niamey. On nous colore Zander, on nous colore un peu partout sur le Niger pour dire que c'est des zones rouges. Mhm. En quoi même notre diplomatie joue On n'est pas aussi de que vous. Le Niger n'est pas un département du sud Kivu où on sait que là-bas la sécurité est Merci beaucoup. Il y a donc euh, des problèmes euh, connexes. Euh, quelle analyse en fait vous, leur, leur, départ, mhm. je, vois plutôt, pas leur départ, mais je vois plutôt la coopération qui doit être révisée mhm. au niveau donc de la sécurité. Donc ça veut dire tout, ce que, tout simplement, je rejoins ce que Issa a dit. Mhm. Il faut renforcer nos forces de défense et de sécurité par exemple, en matériel, comme on l'a dit et tout. Il faut, oui, oui, il faut également les former. Mhm. C'est ce qu'on demande. Des appuis. Hein. Des appuis. Mais pas de présence de base. Euh, pas de présence de base militaire qui ne peuvent rien faire, rien amener mhm. pour ce qui est de la sécurisation de nos États. Mhm. C'est ça en fait le problème. Ils peuvent être là, ces bases militaires peuvent être là, mais c'est que ces bases militaires doivent changer leur manière d'être présentes sur le mhm. sol nigérien. On vous a bien compris. Ousmane Sidoukou, un mot pour terminer. Justement, que peut euh, faire euh, le gouvernement en termes de décision pour apaiser ce climat social un peu tendu euh, ces jours-ci, on le sait bien. Merci Michel. Donc, mhm. vous avez parlé de gouvernance. Dans un premier temps, franchement, il faudrait que la copie soit revue à travers leur gouvernance. Il a, Issa l'a mhm. si bien dit. Aujourd'hui, s'ils ils sont véritablement aux, aux, commandes à l'issue des élections libres, transparentes et crédibles. Moi, je pense que avec le leur, leur peuple qui feront certainement chorus derrière eux, ils sauront faire face à cette menace sécuritaire. Mhm. Mieux, moi je me dis que euh, ils ont tout intérêt à écouter le message que les différentes communautés ou bien les peuples sont en train de vouloir de leur véhiculé à mhm. travers le ras-le-bol généralisé mhm. de ces bases euh, françaises-là. Parce que, et souvenance euh, au temps de ATT, qu'est-ce qui lui a coûté euh, son départ C'est parce qu'il n'a pas su prendre au sérieux le problème sécuritaire que mhm. vivait à l'époque son pays. ce qu'il y a lieu de faire Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, euh, il est clair que dans, dans, beaucoup de pays, il y a un ras-le-bol qui est en train d'être généralisé, qui est en train d'être exprimé. Contre la présence contre de la ces présence bases là, Contre la présence de, de ces bases-là, dont je dis faut-il qu'elle quitte définitivement On tel que, si, le disent. Ah, mais si, à partir du moment où on ne voit, on ne perçoit pas mhm. aucune plus-value de ces bases militaires-là, aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des forces de défense et de sécurité aguerries qui sont du mhm. mieux qu'ils peuvent et le plus souvent au péril de leur vie pour la préservation de l'intégrité territoriale, la sécurisation des personnes et de leurs biens. Bon sang, il faudrait seulement que ces forces de défense et de sécurité soient équipées, soient outillées en, renseignement et en autres appuis mhm. techniques. Moi, je pense que vraiment, si elles sont dans les conditions, elles feraient beaucoup mieux que ces bases militaires-là. Je reviendrai par rapport à... Il faut donc renforcer leurs capacités, c'est de cela qu'il faut. Au-delà même du renforcement, euh, au-delà du renforcement militaire, mhm. il ne faudrait pas que les gens euh, fassent le focus uniquement à, travers, euh, loin de moi, de faire l'avocat de cette association-là. Le départ de ces bases-là, c'est entre autres. Ils ont même demandé, et vous, vous avez souvenance des nombreux scandales qu'il y a eu, notamment mhm. celui du ministère de, de, de, de la Défense, mhm. la gestion ou bien, comment on appelle, l'audit de la gestion de l'ancien président, mm. euh, les, les, les, les, écoles. On en a assisté à une, plus d'incendie. Dans la gestion bref, c'est vraiment c'est ce fourre-tout cohérent là. Mm-hmm. Mais c'est seulement euh, peut-être le départ de cette base militaire française qui a pris le dessus. Mais mm-hmm. vraiment, euh, c'est toute une plateforme. Il n'y a pas que ça. C'est toute une plateforme d'où mm-hmm. vraiment l'occasion ou bien l'appel lancé au gouvernement de laisser vraiment les, passer uniquement cette association, vraiment de laisser les, les libertés d'expression éclore dans ce pays, puisque je le rappelle le président a demandé à être aidé en rencontrant cette frange si importante de la population qui étaient les organisations de la société civile. Michel. Merci beaucoup. Il y a d'autres aspects qui vont être abordés justement dans le deuxième euh, sujet de ce forum de la presse et c'est pour euh, parler toujours sécurité donc euh, dans cette deuxième partie du forum de la presse de ce jour, la septième édition du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est tenue les 6 et 7 décembre euh, dernier au Sénégal des chefs euh, d'État, dont le président de la République et de nombreux ministres et représentants d'organisations internationales ont pris part euh, aux travaux, selon le directeur de l'organisation du Forum, François Charles. Cette initiative sénégalaise est née du sommet France-Afrique de 2013 pendant lequel le président français de l'époque, François Hollande, avait souhaité que l'on crée un espace de dialogue et de réflexion autour des problématiques euh, de paix et de sécurité en Afrique à destination des décideurs. Issa Madougou, quels sont les enjeux d'une telle rencontre Ça fait la septième édition mmh. de ce forum. Moi, pour moi, c'est le même rituel. Parce que les gens parlent là-bas, les gens partent là-bas pour faire des discours. Mmh. Euh, mais au sortir, on ne voit pas efficacement ce que ça donne comme résultat sur le terrain. Mhm. Moi, c'est mon. Mais est-ce que le fait qu'on ait déjà ce cadre d'échange et de réflexion a déjà un pas cadre, une bonne on a, chose On a déjà un cadre bien huilé qu'on mhm. devrait se concentrer là-dessus, qui est le G5 Sahel. Mhm, bien sûr. qui dispose de toutes les, institutions connexes pour y réfléchir efficacement sur le phénomène de la sécurité euh, et du développement. Parce que, vous savez, c'est un lien ne peut pas parler de sécurité aujourd'hui. Tout ce que nous sommes en train de voir, parce que c'est des questions de développement et mhm. des projets de développement qui ont échoué, qui ont fait en sorte que ces communautés et ces fils de ces différents pays, parce que ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient d'ailleurs pour être à l'origine de, des problèmes. Ce sont les fils de ces pays du Sahel qui sont à l'origine de ces problèmes, mhm. du fait qu'ils sont frustrés, ne se sentent plus dans, la, euh, dans un... Vrai, très souvent même, on constate que les terroristes sont des citoyens au niveau des pays euh, du G5 Sahel. Oui, effectivement. Quand mhm. vous prenez le, groupe de soutien aux musulmans et à l'islam, qui est dirigé par Amadou Koumfa et euh, oui, mais ils sont tous maliens, plus leur euh, euh, démembrement qui est au, Burkina, qui sont tous des gens du, du mhm. Burkina. Ce sont des Burkinabés. Et au Niger également, au sein de l'État islamique du Grand Sahara, nous avons des Nigériens qui sont vraiment bien cotés, mhm. qui occupent des postes stratégiques. Quand j'ai dit ces genres de choses. Par exemple, j'ai aimé le discours du président Bazoum. Mhm. J'ai aimé le discours de Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine. Mais je me suis dit, est-ce que ce qu'ils ont eu à dire allait tomber dans les oreilles des autres décideurs afin qu'une stratégie efficace puisse être mise sur pied pour pouvoir vraiment apporter des solutions urgentes à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Sahel. Mhm. Les gens ont fait c'est bien de faire le lien avec la crise sanitaire, mais quand même aujourd'hui, la première des choses que, dont nous avons besoin, spécifiquement pour les pays du Sahel, c'est la sécurité. Il faut que nous arrivions à garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens. Que les gens aient ce sentiment d'appartenance à une nation. Qu'ils se sentent cette obligation de défendre cette nation. Mais pas dans l'exclusion. On ne construira pas nos pays dans Vous l'avez dit, donc euh, le forum a donc une envergure euh, continentale euh, et plusieurs thématiques, dont notamment la question sanitaire en lien avec la COVID-19, sont les différents aspects abordés. D'ailleurs, le thème du forum, c'est les enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-COVID-19. C'est le thème euh, retenu donc pour cette euh, septième euh, édition de ce forum. Maïmoun Diado, est-ce qu'il y a eu des décisions prises à ce forum On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de décision prises du moment qu'ils sont partis là-bas, c'est pour prendre des décisions. Mhm. Donc, euh, à partir du moment où chacun euh, a pu s'exprimer euh, pour dire, voilà, dans quelle situation se trouve son pays, voilà ce qu'il attend des autres pour qu'ils mhm. puissent l'aider, que ce soit financièrement ou que ce soit à partir donc des de, matériels. Je pense que c'est, il y aura toujours, en fait, on ne dira pas on ne dira pas que ces discours et autres euh, ne peuvent pas peut-être un peu changer la donne. Ce n'est pas vain. Ce n'est pas, oui. Ça peut toutefois, toutefois, ça peut améliorer certaines choses. Parce que dans la sécurité, quand tu te vois euh, à chaque fois que euh, tu, lances des appels, tu n'arrives pas à avoir... Euh, gain de réponse par rapport à ce que tu demandes. donc il faut se ressaisir, il faut se ressaisir. Ces présidents doivent se ressaisir en fait. Il faut, c'est pas, on est, on dépasse aujourd'hui les discours. On ne sommes plus à l'époque des discours en fait, mhm. parce que il faut agir. Vous faites des discours, c'est entre vous. Nous, nous attendons concrètement qu'il y ait euh, des décisions Il y, a, eu des discours, on va parler justement du de ces discours. D'abord, voyons euh, ce que le président Bazoum, Mohamed pense, ce qu'il a dit, ce que selon le président nigérien Mohamed Bazoum, les groupes euh, terroristes opérant actuellement au Sahel se distinguent par le caractère sophistiqué mm. et la quantité remarquable de leurs armes ainsi que des munitions acquis à des coûts très faibles à travers les réseaux de contrebande libyens. Ce sont ses propos. Donc, selon lui, je le cite encore, dans un tel contexte de danger, tous les États sahéliens se doivent de mettre sur pied une stratégie militaire adaptée aux défis consistant dans le recours à des techniques et des moyens de nature à rendre la guerre moins asymétrique possible ils ont par ailleurs besoin d'un soutien plus adapté de leurs partenaires axés sur le renseignement, l'appui aérien et le renforcement des capacités de leurs armées. Ousmane Sidikou, quelle analyse euh, faites-vous par rapport à ces propos du chef de l'État, Mohamed Bazoum euh, Michel, euh, je reviens d'abord par rapport à, ce forum de Dakar. Mhm. nous, en, avons vu des forums. Il y en aura d'autres forums les résolutions, les recommandations qui en seront issues, euh, que deviendraient-elles Certainement dans les tiroirs comme d'habitude. Tout ça, euh, au prorata du nombre de forums, du nombre croissant, bien incessant, interminable de forums auquel nous assistons. De l'autre côté aussi, nous assistons vraiment chaque fois à des attaques par-ci, par-là. Mhm. Ça veut dire quoi Et toujours sur la même thématique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, cette synergie censée régir les États ou bien les communautés qui en paient le tribut, ça veut tout simplement dire que la stratégie, elle est nulle, elle a échoué, d'où la nécessité de la repenser ensemble, de la revoir. Pour en revenir aux propos tenus par le président de la République lors de ce forum, euh, il l'a si bien dit. Donc, euh, certainement, que ça ferait, ou bien souhaitons que cela fasse tilt dans, dans, dans l'esprit de ses collègues chefs d'État. Mhm. Nos FDS aujourd'hui ont besoin d'un appui en renseignement sur, le plan aérien et renforcement des capacités. Et surtout que aujourd'hui, ce qui est grave et ce qu'il faut vraiment, et je vois beaucoup jubile par rapport à l'avènement de ces milices euh, dites euh, d'autodéfense-là. Mhm. Aujourd'hui, il faudrait que nous fassions extrêmement attention. C'est bien beau de vouloir défendre soi-même euh, son territoire, sa communauté, mais le glissement euh, si l'on y prend garde, c'est vraiment des règlements euh, de, compte mhm. entre ethnies, entre communautés qui risqueraient de venir embraser davantage la situation et la rendre beaucoup plus Donc c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. a parlé justement de ce euh, contrôle d'armement. Où est-ce que ces bandits arrivent à se procurer ces armes Selon lui, les partenaires doivent aider également à contrôler, à aujourd'hui, voir. Euh, aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas sans savoir que Ces, djihadistes-là, ils ont euh, vraiment, ils sont à, annexer des territoires qui mhm. plus est pour beaucoup où le trafic s'est développé. Mhm. Donc ils profitent des retombées de ce trafic-là. Il l'a si bien dit du côté de, la Libye, mhm. voyez-vous. Et mieux, aujourd'hui dans des zones annexées par ces djihadistes-là, c'est des zones potentiellement riches en ressources, en ressources naturelles. C'est vous dire que au même moment où euh, nos États sont en train de démissionner, de l'autre côté, eux, ils sont en train vraiment, ils sont en train de mettre le paquet, notamment en rançonnant, en, faisant même base sur des richesses, surtout naturelles, des zones dont ils ont le, monopole. Pour en revenir à, votre question, Michel, aujourd'hui, je vous assure euh, ce qu'il y a à craindre. Dans plusieurs de, nos, de ces États-là qui sont affectés par la crise sécuritaire, nous sommes en train d'assister quoi loin de faire allégeance à ces groupes terroristes-là, les communautés, pour pouvoir, ne serait-ce que pour aller eh, eh, au marché hebdomadaire, je veux dire, ce pas des accords vraiment euh, euh, euh, officiels, mais c'est des accords tacites. notamment, ils sont en train de s'entendre avec ces groupes-là pour qu'ils les laissent. Et après, vous les voyez, vous entendez, ils disent ils sont dans de telles localités, ils sont au vu au sud de ces communautés qui ne disent rien, ils mhm. circulent à moto, pourtant il y a une interdiction des motos. Rien que pour qu'ils les laissent en paix, ces communautés, vaquer à leur occupation, euh, pour que éventuellement, même s'ils vont venir pour les rançonner, notamment le prélèvement de la zakat, pour qu'ils aient au moins de quoi à donner à ces... Et c'est grave. C'est là où je dis il y a une démission vraiment de nos États. Parce que les États ne se parlent pas de ce même G5-là. Le temps ne nous permet Or, pas d'aller plus loin. Nous allons terminer. Issa Madougou, un mot par rapport à ça pour tourner cette page. Euh, j'ai constaté que vous avez voulu... Oui, effectivement. c'est lui qui a eu à dire, mais continue tenu du temps aussi. Mhm. je pense que je l'ai intitulé tout à l'heure le mhm. discours du président Mohamed Bazoum, la recette du président Bazoum, même si certains euh, pensent que c'était comme un aveu d'échec et d'impuissance, moi je ne le pense pas ainsi. Pour moi, ça, c'est mon avis. C'est la réalité. Il a parlé de la réalité. Il aurait pu ajouter mhm. une autre chose aussi que l'approvisionnement de ces groupes armés, ce n'est pas seulement par le canal des réseaux de trafiquants qui viennent de la Libye. Mhm. Souvent, c'est même lors des attaques. Lui, selon lui, en tout cas. Oui, oui non, j'ajoute oui, également. Oui, c'est un mhm. point de plus que je suis en train d'ajouter. Également, il y a lors des attaques des bases militaires qu'ils profitent également pour prendre des armes au niveau de ces bases qui sont attaquées. Maintenant, ah, ce discours a été entendu, mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens vont faire quelque chose C'est ça la question. Mm-hmm. Moi, je pense que au-delà de tout ça, du réseau, si on arrive à vraiment à contenir ce réseau de trafiquants pour que l'approvisionnement en armes soit limité, il faut que aussi nos États pensent à un autre phénomène qui risquerait de détruire même le tissu euh, social, c'est-à-dire le développement des milices l'intégrité du territoire, la défense. Il faut mettre fin non, à cela. Non, la défense. Ousmane Sidoukou l'a Merci seulement à l'État. À l'État. Il, faut, pas Je vous donne juste pour finir un exemple. Vous vous mhm. rappelez des milices Janjaoui au Soudan. Mhm. Aujourd'hui, où se trouve le patron des, milices, Hemeti C'est le deuxième chef militaire de la gente, mhm. après El Bouran. Donc, vous avez vu comment aujourd'hui il continue à guider, même tout récemment, des ONG à l'échelle internationale et régionale ont dénoncé encore la réactivation de ces milices qui sont en train de créer désolation dans cette partie du Soudan. Ces milices Moi, je pense que c'est non, si l'État, eh, il faut mettre fin à non, il faut mettre à ça, mais c'est un peu mm-hmm. difficile du mm-hmm. moment point d'interrogation parce que si les gens prennent les armes, se sentent dans le besoin et l'obligation de se défendre, c'est que c'est l'État qui a failli. Mhm. Il y a une faillite de l'État. Parce que si l'État est là présent aux côtés de ces populations, les gens ne vont pas penser à prendre des armes. Et aussi, dans la formation des milices, là, il y a une autre question qu'il faut se poser d'où viennent ces armes. Mhm. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le, le, Sahel. dans le vous c'est qu'il ne faut pas applaudir cela. Il faut on applaudir, des citoyens qui applaudissent. Mais il faut que l'État aussi prenne ses responsabilités pour protéger. Récemment, qui a circulé, où on voit des milices dire. Ils sont euh, dans leur droit, puisque c'est l'État qui n'est pas là. Maintenant, l'État ne doit mhm. pas favoriser cela. L'État doit prendre ses responsabilités aujourd'hui pour protéger chaque Nigérien qui se trouve sur le territoire nigérien. Merci, on vous a bien compris. Nous allons terminer avec la dernière partie de ce forum. Euh, sur tout un autre plan, le Festival international de la mode africaine FIMA s'est tenu cette année à Niamey. C'était du 1er au 5 euh, décembre sous le thème La mode dynamique de paix vers l'intégration touristique et culturelle de l'Afrique. Souvenez-vous, ce festival a été fondé en 1998 par le créateur de mode nigérien Al-Fadi, de son vrai nom, ali Sidi Ahmed. Maïmouni Gado. Il faut rappeler que Al-Fadi est également ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. Comment s'est déroulée cette 13e édition du FIMA et qu'est-ce qui a fait la particularité de cette année Honnêtement, je euh, j'ai pas bien, en tout cas, suivi cette année le FIMA. <laughs> Parce que moi, je me dis que même si Al-Fadi est aujourd'hui ambassadeur de la paix, euh, la situation sécuritaire, ce que nous vivons dans notre chair aujourd'hui, mhm. devrait quand même euh, lui faire comprendre que ce n'est pas le moment. Le mhm. moment était mal choisi en tout cas. Parce que vu la situation que nous vivons tous les jours, avec les pertes en vies humaines que nous enregistrons tous les jours, euh, la situation de Terra, tout cela, moi je me dis que rassembler. Vous trouvez le rendez-vous inopportun. Voilà. C'est ça votre point de vue. Voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, Ousmane Sidikou. Selon le promoteur du FIMA, Alfadi, les actions menées jusque-là consistent à faire en sorte que le Niger puisse profiter de ce grand festival qui est parti dans plusieurs pays, mais qui reste toujours euh, une initiative euh, nigérienne. Quels sont les gains de ce festival pour le Niger euh, de facto, c'est la visibilité pour notre pays. Donc, euh, occasion pour nous vraiment d'avoir une mm. pensée. Certes, euh, Al-Fadi en est l'initiateur, le promoteur, mais il avait eu à son temps vraiment à bénéficier d'un soutien et pas de moindre celui du défunt président de la République, j'ai nommé feu général mm-hmm. Ibrahim Nassara Baré. Donc, franchement, tout est bien qui finit bien. les activités rentrant dans le cadre de ce rendez-vous mhm. culturel et artistique euh, se sont euh, bien déroulés. Et on ne peut que s'estimer heureux, mhm. mais euh, c'est de repenser euh, dans le fond et la forme quant aux éditions à venir mhm. euh, pour voir à un moment ou bien, je ne sais pas, c'est à laquelle des éditions le film a été décentralisé pour avoir été tenu, mhm. je ne sais pas, à Gadez ou à l'intérieur du, pays. Donc moi je pense que il faudrait penser à une délocalisation mhm. de, ce, de, ce grand événement culturel artistique. On ne peut que dire chapeau aux organisateurs euh, dans dont le premier responsable Alpha dit, vivement d'autres éditions qui puissent vendre davantage le Niger, en termes de visibilité. Le prochain rendez-vous, c'est donc dans deux ans. Nous allons terminer avec euh, Issa Madougou, le FIMA met aussi en lumière les talents des artistes africains qui y participent pour euh, présenter leurs euh, œuvres. Environ 50 pays étaient attendus. À la fin de la manifestation, Al-Fadi a demandé le soutien de tous pour la promotion de la culture nigérienne à travers le monde. Quelles pourraient être les actions dans ce sens euh, Franchement, j'ai pas très bien suivi cette édition du FIMA, mais quand mhm. même j'ai eu à lire quelques articles qui m'ont vraiment réjoui. Pourquoi Parce que j'ai vu on ne parle pas euh, on parle du bien du Niger. Ceux mhm. Ce qui se hasardent à colérer tout le Niger en rouge là pour dire que c'est comme si c'est un pays où des météorites, mhm. astéroïdes tombent chaque jour sur la tête des gens, voient bien qu'il y a des gens qui vivent mhm. paisiblement. Vous avez des 50 pays invités qui sont venus. Voyez-vous, ces gens-là sont venus à Niamey. Ils ont vécu tranquillement, ils vont rentrer tranquillement en bonne santé chez eux. Alors c'est pour dire une chose, que le Niger, ce qui se hasard à colorer notre pays tout en rouge pour dire que le Niger est infréquentable, que c'est faux. Chapeau Al-Fadi, pour parvenir à démontrer à ces gens cela que le Niger est bel et bien un pays, pays fréquentable. Mhm. Moi, c'est sur cet aspect que je vois la réussite du FIMA. Parce que les gens pensent que le Niger n'est plus fréquentable. Mhm. Que c'est un pays, dès que tu descends, c'est des bombes, c'est des EID, des engins oui, qui, qui, sont là à exploser par-ci, par-là. Voilà, on a pu démontrer que ce n'est pas du tout ça. Mhm. C'est à cela que aussi doit jouer notre diplomatie, pour que vraiment notre diplomatie puisse montrer que le Niger est toujours ce pays fréquentable. c'est vrai, nous avons des poches, des parties du pays où ça ne va pas, mais que c'est les gens hasardent à colorer tout en rouge. Moi, c'est cette méchanceté que j'arrive pas. Base, Il faut donc saluer le courage, de, de et aussi les autres événements culturels qui font. C'est j'encourage tous ces acteurs culturels, tous ces promoteurs aujourd'hui qui arrivent à faire redonner l'espoir, à faire donner l'image réelle du Niger au mm-hmm. monde entier pour dire que le Niger, tel que vous voyez cette, carte-là, ce n'est pas vrai. Le Niger, c'est un pays, c'est vrai. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais le Niger reste ce pays de paix. où D'hospitalité légendaire. Légendaire, où il y a toujours cet accueil chaleureux qui est réservé à ce hôte. Merci beaucoup. C'est ici que se referme euh, le forum de la presse de ce vendredi 10 décembre 2021. Merci de l'avoir suivi. Nous étions en compagnie de nos trois confrères. Ils sont tous euh, des journalistes euh, indépendants. Il s'agit de Maimoun Diado, Ousmane Sidikou et enfin de Issa Madougou. Nous disons merci à nos trois invités d'avoir répondu présent Merci également à vous, chers auditeurs et téléspectateurs des radios et télévisions partenaires de Studio Kalangu grâce auxquels vous nous suivez. C'était Michel Deji à la modération de ce forum de la presse. Au niveau du son, nous avons Mustapha Ayouba et au niveau de la réalisation vidéo, Issa Lawali. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.